En qui o jofe gaanga debe be me gei bakèl eka ke be ime i grereri wa un denja e de bakèl. On trenque e proviiser ke ime a gani Adama tanjigora que fini rangonda nasser d depes m Moche jata a lo bakèlo monga gangoègim ka mare monga. On e trenkaèi adaa tangorajai de bakè. voilà donc tanjogora euh, ɓe ganama ko soni sonikara bon a soni kugani yasimana effectivement kugani keñaninga mais ko euh, sare kidira euh, bange a o horono ña o xara bakkelere formane c'est à dire collège ensuite tamba lycée et puis université dakar kam palero goro horone denga ma allah galen ke ko yoyi ah école ke bon en fait professeur nous ko le 3 hein, parce que administration ke de jokko le 3 on avant le 3 une sens déjà au on est on est sur euh, euh, comment dire, je dans les discussions, de on était déjà dans les discussions de commencer parce que ori la terrain qui est tout ça donc avant le 3 on était déjà là mais euh, à partir du 3 quand même administration qui est euh, tout le monde était là professeur ni me manquait sauf que quand même affectation euh, pour l'instant, on remplace Ankita. On remplace Ankita. Déjà, euh, on a quelques difficultés parce que classe n'est pour un professeur Donc, euh, actuellement, on est en train de voir priorité une classe ni On a comme fonctionnaire dit. Ou Benia, on a un uniforme, on a doublé le professeur pour Koumongabaka, on a essayé de vite qu'il problème Mais quand même, académique qui demande euh, de professeur euh, d'expression de besoin de rempli, il de remplir o haajunga keɓe odi rey bon on ko mais on attend on attend encore que euh, ino jaabi quoi mais imo finalement non mais quand même mais quand même de parce que professeur ni école reprise repris le 6

haraganañi an na exclu c'est à dire si uh, qui est moyenne ke 7 setture il est directement exclu euh, également élève est moins ta 7 il est exclu élève ɓe anga to haragan xa redouble na marambaliŋani a suba seede il peut être exclu en fait nous on n'exclut pas directement mais on propose à l'exclusion et puis mais on nous autorise quand même après finalement à entériner les décisions donc ke no kuwanci gi euh, exclusion ni anya mais euh, xarani nga joppe euh, ndi conseil spécial convoqué ser suga e marambala ko nyaga mamba kati igran exclure parce que moyen que aroko ou bien igran exclure parce que en redoublé deux fois marambala ko gonta ka finan barema o illa su ni ronde classe ni parce que nous ko o lumun o lumun nyani ko ko ko donc o gami dema dema ndana tarti alhamdulillah rabbil alamin yere ke uma problème sukita jin xibarema so sokkingue ɓe mais déjà carte école ga euh, tehini waɗi kem programme waɗi taku ndi waɗi haalisi dégagé naro fon karana pour que ouverture ngenaña euh, école ke raga sohenamo komɓe donc euh, ouverture ge to hokkoye oɗi intan ɗoɗ ko intendantanga aɗi soro mobilisé ɗiɗi école ke soho nokku soga paw sohene harangel laga joppene nañi ama élève min dérangé oɗi kuncu soho maintenant a kuttenga école ngana euh, cours ni ngana laato élève ni i investissement humain de berni ke nga fini école ke activité ni nga i journée d'investissement humain de berni en général on est avec mes samedi ko tani bon il y en a 15 journées de berni sur quel côté be suka école ke ina su dégager bakki donc bega ga ko bi ni na anabi tenga sa be ga mula na rawdu na de na kata antamisoma c'est comme ça que ça marche euh, Adio du message qu'on a dans Jida FM, kuranti saranontanga uh, eh, xaraŋenga a joppe adobe, a suyi kenci, ceda mais quand même na ñille uh, eh, information ke kurumba kuna a sireñan parce que sara gebe alla tige ñani maxa donc ils sont hésitants uh, eh, fourniture xobo nem payi inscription ni jom kom payi foto, fotana ɗo fota iramu ɗo fota surtout la ñaxaru maintenant odi i kirunin taxne ken kara pour dire que

bon wara am ñu din fonné yor do anga fo ko pamé may nan le ministre et puis mina on parle ga digal la ngeen tebe ko ro ya sarano nga ini kiru to le mun ko ina li déjà ini poussé il di xarani do pakken baani mais xarani nga na jopé ini kiru to le xara xarani c'est important parce que xara xarani petit baani ndaga école mo li mais lemi nga na kébé xara école nga akatir mun caagandi ni kanina donc igana jofi kanina ini kiru to le mun ko xarani ina ma to tan telefon ga dum ma hak yemu ma chu ina sa ci telefon ga lele ina daga jouer pour lam na jugu ya xandu nga iga tel no ko ina daga no sanche ye fe be ganti ñeme ne ko sa c'est pas important parce que a à la fin de l'année igni khata isara lu yang gilde khadi igari ni nyagar di igari ni dema dum donc ina mu ko dema euh ini ini ini ni ki dum tukhiya n'est-ce pas kenya dema ne ko fana ni ki dum tukhiya ngi te ni ini dia makarangin kama ikan kau fumbe na kurna karak kurak tema ina nah, kiniya ikan kau sikidi karang mungkin iki untuk dia di yang muka medi kiri untuk ikun dua limun nang tema ekor ngana cari bekas na fumbe gal lingi ina ya, gitu. me ekor keke mucen nuko nga ini kiri untuk nung karang yang c'est important parce que limun ina kani ikan me ikan me sikidi yang kumene nimsi nya parce que anu kara gili si, nati gili maternel keta ma terminal ak ro roho sino tam rokar ba anna bu ando fo mu mais nim sente da ngi ken donc sino tam rokar ba war ma nga fumbe ñak nga ke ñak fofu ando ya xena ko bak alors donc donc il a il a fait rien vraiment sun ka fi ona mais dema ona mais dema mu ko ni xani ina raga ina kani mu xana ken ko parce que suna kan ken oni on a ona mu dema in xara oni xara xarani kamma et puis oy mexa ono sembe concentré ken kama Donc euh, comme ça, il n'y a euh, y Moi, c'est M. Diata, je suis professeur d'éducation physique et sportive au lycée Walmidia de Bakel. Aujourd'hui, les élèves sont venus en, masse, contrairement à l'autre jour, euh, où vraiment il n'y avait pratiquement personne. Mais aujourd'hui, tout le monde est là, tout le monde est là. Tellement, parce qu'il y avait des classes, les classes scientifiques là et les terminales ont débuté depuis la semaine dernière. Mais les autres classes et les classes intermédiaires n'ont pas répondu présent au premier jour des cours, sont venus aujourd'hui, la majeure partie d'entre Bon, je les conseille de venir parce qu'il ne faut pas attendre jusqu'à la veille des, compositions euh, pour, venir suivre les cours. Ils risquent d'avoir des problèmes, ils risquent de ne pas comprendre ce qui, se passe vraiment à l'école. Que les enfants aiment l'école, qu'ils aiment ce qu'ils font. Comme ça, dans l'avenir, ils, ils, pourront aider leurs parents et s'aider Bon, un grand merci à vous qui êtes venus s'enquérir de la situation ici à abattue. mais également vous qui allez transmettre également ce message aux parents, ce message de sensibilisation aux parents, pour qu'ils incitent aux élèves de venir, de venir apprendre dès le premier jour. Ils ont eu des, vacances. Moi, moi, ils étaient en vacances. Pourquoi maintenant rester à la maison Qu'est-ce qu'ils font à la maison moi je les conseille, je conseille de venir. Qu'ils font comme leurs grands frères qui étaient, par, qui sont, qui sont, qui étaient là et qui sont partis. C'était des gens très sérieux. Voilà, ils, ils ont des références, donc ils, sont, ils n'ont qu'à se référer à ces derniers. c'est ça. Je suis Yacouba Djera, je suis euh, MC. Bon, voilà. Irguignani, Ogriere, passant. Voilà. Bon, voilà. Par exemple, là, nous, on ne quoi, on ne quoi.

xaram nga ak fitna xara réussir voilà el mu gulli rek ona xaram nga joppa comme il faut voilà assalamu alaykum mam sonko naka sokoyi Eh, get kon fatmata semega elle est en classe de première LP wa kunu ñani nanti école ke aw ari porte ni depuis le 3 par le 3 pour les yo mais pour ni ku imna normal na fina parce que élève ni ko miri lenkan sa ngi ke élève ni ko gogo ni jopere mais depuis semaine passée que élève ni ko miri comme que lenkan ni ñak ñani situation que ça va kubake okuro opes ndeveri deja donc professeur kutuko mi wolfina iyerede même cour ndeveri yo kurnu ñani natti yo camarade élève ni kudanganga ina li on xara parce que ça c'est pas normal du tout depuis semaine passée nat depuis le 3 l'école a ouvert ses portes et depuis tout ce temps les élèves refusent de venir à l'école donc euh, oku nanti yere déjà lycée wa une ndiaye kenga o image sirefet ko i ma sire sara la kunan dro foto ni lumu ko ko sey nan lifa yo to munya ni sine su o ili seke mashallah i fe suru mbagani ni eh, resultat suru mbagani ni bakke sine su kunu ndi ga la que do eh, njakat gume bona kara rek kenyani yo parce que mene ko mene jikke yaro ya jeunesse ke tout ça moi jeunesse ke ha jeunesse ke tout ah, sara no ko khatti ga oni mama kesu yanci mani maa ngi def classe boo xam ne secondaire waaye ren la ñu doog a ñëw si école bi ay nouveau ay nouveau lañ bon pour l' instant cours yi moom démarré moom sérieusement pour l' ni ni ni ni ni

matatana